que la conception que les jeunes ont de l'amour en milieu urbain et milieu rural, c'est vraiment totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, quand je discute avec beaucoup de jeunes du milieu rural, ils pensent qu'ils ne peuvent vivre en fait leur amour de façon épanouie qu'en étant mariés. Donc beaucoup se marient très jeunes dans le milieu rural. Et la gestion vraiment de la vie de couple n'est pas pareille qu'en milieu urbain parce qu'il y a beaucoup d'influence de la famille, là-bas en milieu rural. Contrairement dans le milieu urbain, beaucoup vivent leurs relations amoureuses sans forcément être engagés. Et aussi, il y a beaucoup plus de gestion personnelle, il y a moins d'influence de la famille et également de la société que quand on est dans le milieu rural. Dans le milieu rural, vraiment, la famille et la société en général a beaucoup d'influence sur les relations amoureuses des jeunes. Ici, quelqu'un peut être en relation amoureuse sans que même la famille ne le sache. Alors que là-bas, le, euh, le monde est tellement petit au village, <laughs> tout le monde sait ce que tout le monde fait. Par amour, les jeunes peuvent faire énormément de choses, surtout quand c'est dans la phase d'adolescence, c'est la phase où il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de modifications physiologiques, mais également psychologiques. Donc il y a un impact fort de la société, il y a une influence forte des pères sur les jeunes. Donc beaucoup de jeunes font des choses vraiment extravagantes par amour, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Moi j'ai vu des gens changer dans le bien par amour et j'ai vu des gens aussi changer du côté un peu plus morose de la société par amour. La chose que nous déplorons le plus, nous qui travaillons dans le domaine de la santé c'est le fait que les jeunes, en fait, essaient de prouver leur amour à travers des relations sexuelles, par exemple. Il y a, par exemple, des gens qui, qui tombent dans, dans la drogue, la consommation de l'alcool par amour parce qu'ils fréquentent quelqu'un qui consomme de l'alcool ou qui consomme de la drogue. Il y en a également qui changent complètement de comportement, qui étaient vraiment de très bonnes personnes, mais qui deviennent des personnes assez mauvaises. Il y en a qui commettent des crimes même hein, par amour. Et comme je disais, le plus euh, délicat pour nous, nous qui sommes dans le domaine de la santé reproductive, c'est le fait que les gens essaient, les jeunes essaient de prouver leur amour à travers des relations sexuelles. Ça a un réel impact en fait sur leur santé et ça laisse énormément de séquelles, autant sur la santé que sur le psychologique. Parce que qui dit relation sexuelle à un âge très euh, précoce dit vraiment impact sur la santé. Et souvent, ces jeunes ne sont pas assez informés sur ce que ça engage. Ils ne savent pas qu'ils doivent se protéger, par exemple. Ils ne savent pas qu'ils doivent éviter certains comportements malsains. Et ça conduit à ce qu'on appelle, nous, les grossesses non désirées. Ensuite, ça enchaîne avec les avortements clandestins on a vu beaucoup de jeunes perdre la vie à travers des avortements clandestins. Donc ça a vraiment d'énormes séquelles sur eux et sur la société en général. L'âge précoce pour vraiment avoir des relations sexuelles, tous les scientifiques sont d'accord sur cela. L'idéal pour un jeune, c'est vraiment d'avoir sa première relation sexuelle à l'âge de 18 ans. Donc avant 18 ans, c'est assez précoce. Et on recommande à ces jeunes-là de retarder le plus possible leurs relations sexuelles et surtout de se protéger afin d'éviter les maladies sexuellement transmissibles, mais également tout ce qui est grossesse non désirée. On insiste sur le fait qu'une relation sexuelle n'est pas une preuve d'amour. On le fait si on le veut, mais vraiment ce n'est pas un partenaire n'a pas à forcer son autre partenaire à avoir une relation sexuelle pour lui prouver son amour.